et auditrices du studio Kalangu, vous qui nous suivez sur les ondes de nos radios partenaires, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et aujourd'hui je suis avec Samira Amadou Afi. Bonjour Mira, comment tu vas Je vais très bien Fanta. Nous tenons aussi à faire un coucou à la talentueuse équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. Il s'agit bien évidemment de Abdullah Yacouba alias Bunga la star à la technique et Adam Dawaki à l'édition. Alors, euh, dis-moi Fanta, quel est le programme du jour au menu ce matin, Mira, il y aura le flash d'information de la culture linguistique, la page sport, la rubrique hebdomadaire sur l'entrepreneuriat. Nous ferons aussi un tour à Zender, la capitale du Damagaram, dans la rubrique éco des régions. Et comme invité ce matin, nous recevons Saudat Aboubakar Kabir. Elle est journaliste, écrivaine en langue et aussi membre de la Fondation Femmes Solidaires. Alors installez-vous confortablement car c'est une heure de plongée euh, au cœur de la diversité et de la richesse de notre cher pays, le Niger. Mais avant, place à l'essentiel de l'actualité avec notre incontournable moment d'information. à qui on Nafissa Sirfo pour le Flash Info. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta. Bonjour Samira. Bonjour Nafissa. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin ce matin, euh, hier plutôt, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est en visite au Niger, une première visite au Niger depuis qu'il est à la tête de l'institution sous-régionale, rapporte à l'agence nigérienne de presse. Omar Ali Touré a été reçu hier donc en audience par le président de la République du Niger. Les questions liées aux différents défis sécuritaires et économiques auxquels la région ouest-africaine fait face en ce moment ont été abordées. Au sortir, il a été convaincu venu de mettre l'accent sur la collaboration de tous, le besoin de travailler ensemble en tant que région. Les parlementaires nigériens ont adopté hier à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif au Conseil national de sécurité. Selon l'article de la loi fondamentale, ce Conseil de sécurité a pour mission de donner son avis sur les questions relatives à la sécurité et la défense de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays, rapporte le Sahel. Enfin, 16 193, c'est le nombre des écoles géolocalisées au Niger dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative GIGA, une initiative de l'UNICEF et de l'Union internationale des télécommunications qui vise, entre autres, à fournir une connectivité dans les écoles afin d'améliorer la qualité et le niveau d'enseignement au Niger, car selon le ministre de l'Éducation nationale, nombreux sont les jeunes qui font face à une exclusion du monde numérique. C'est la fin de ce flash. Merci Nafi. Euh, chers auditeurs, euh, ce matin, nous recevons Saudet Aboubakar Kebir. Elle est journaliste et écrivaine en langue Elle est aussi membre de la fondation Femmes Solidaires. Saudet, yaki keke kenalaya. laya. de Safia. safiya. Lafiya launi. Masha Allah. Ya Alhamdulillah. To Kafin mu a cikin nous allons souffler en musique, n'est-ce pas Mira? exactement Fanta euh, ça sera avec le son Yarinya Salula du groupe Kaidangaskia en featuring avec Alia Chibili. mata. E, Jimina. Miye? Ina dan bayani da ke ne. Ya ne yake gani idan kin kwanta mana a rai. Na kwanta ma a rai. Kwana biyu kina wucewa a nan wurin. Ke shi a rayuwa ta ya ke gani. Kana da mota ne? Mota? Ba da mota. To kana da moto? To wallahi ko moto ba. Moto ba. Salula wa? Salula. A shekaran jiya na sai da salula. Ka gani ho gaugawa nike. In baka da ko dai a cikin su ka sa kilo dubu a tsakaninmu. Ka san mu yanzu ba mu harkar tsami sai harkar sanyi kuwa. to Elisa. to abokina saurara ka shi zancen da zani ma yana iya yi ma magani soyayya kake ba ce bakar ka so ba ce bakar ka yi to amma i bincike soyayya ta yau ta zam adashe su ba ka ɗauka malam sai ka bashkole. soyayya ta yau ta lankwashe 'yan matan su sun faɗi sai mai inji

180 daga faya na da magasai faya ruga yarinya ruga feno kara ruga yarinya ruga funzon no safari ne zani ne ka da yan matan ku na ka Seme inji ko salula Seme inji ko salula Seme inji ko salula ta yaya da ba ba kosalula seme inji kosalula seme inji kosalula oh yeah yes huh inje inje yarinya ina da inje a lokaci gane mota mota yarinya ina da mota a mai cika ce zaba zaba mota ko inje zaba zaba a mai le nom du groupe signifie les règles de vérité et le porte-parole de la jeunesse nigérienne en leur temps, bien sûr, il y a de cela quelques années. Le groupe s'inspire des mélodies ancestrales et de jeux d'instruments traditionnels dans ses compositions. Cette musique que vous kiffez est faite en collaboration avec le célèbre chanteur du Damagaram Ali Achibili du groupe Basque Star de Zender. Et dans cette chanson, les paroles nous rappellent l'arrivée des téléphones portables dans les années 2000. Et dans cette sonorité, on entend conditions à remplir pour sortir avec une fille à cette époque. Bien sûr, la chanson, c'est une sonorité d'alarme pour tirer leur attention. chers auditeurs, c'était Yarinyaga, celui-là du groupe Kaidangaskia en featuring avec Ali Atibili deux Zender. Saudat, Yani, na komo gareki. Da fatan wannan wakar ta kasancewa waka ce da take magana akan 'yan matanmu yadda zamanin yake to ai lokacin da masu kai ta shekara goma da suka wuce kamar yanzu ke mana ita yanzu ne ma zancen yake daukan ma'anarta <laughs> waka take daukan ma'anarta <laughs> to so da ce mu koma cikin firar mu wai nake cewa kin kai shekara nawa kina aikin sharida shekara goma sha tara Masha Allah. Tun ina eh, secondary school. da aka bude eh, sababbin gidajen rediyo kamar Horizon FM lokacin sai na fara aiki. a eh, horizon fm an tant que journalist so daga baya kuma na zo eh, na koma kuma animation irin karatun littattafan hausa tare da isu na fati da fati da dai sauran abokan aiki to daga haka haka haka dai kuma aka zo aka bude duniya tv so shi ma na dan koma a sashen hausan su ina rubutu daga bayan fage so daga nan kuma likafa ta ci gaba sai na koma eh, abuja nigeria inda na fara aiki tare da wani gidan rediyo radio da tv a uh, farin wata tv mm. daga nan kuma na zo na aiki tare da bbc hausa media action na zo da dw hausa uh, kuma shi ma a uh, media action din sun so daga baya kuma sai na dawo ina aiki da liberty international tv shi ma haka dai to that me yasa kika zaɓi aikin jarida na zaɓi aikin jarida saboda ina son muryata ta kai ko ina kuma ko in ce lavoie de des sans voix kamar mutane da suke cikin matsaloli amma ba san inda za su je su kai kukansu ba da sauransu kuma ina son a ce daga aikina na jarida in dinga jayo hankalin mu mu matasa domin ganin cewa mun samu wani abu a rayuwa da muka da abin da nake yi ina sa addinin mu gaba saboda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma da take tasowa ita ce matashiyar al'umma so in a ce yau matasa ba su da ilimin addini ko ba su da abubuwan da eh, suka riƙe kamar gargajiya gajiyarsu ko wani abu to al'umma ce da take bata so tun tashi na ina dai son in ji an ce a ayyo matasa su suke yin komai bana son in ga tsofaffi suna aiki a gidajen rediyo kwa sun gama so su bar mu ma mu zama ba da abin da muke to madalla saudatta mun san cewa kina rubutu a harshen Hausa mm. littafai nawa ne kika rubuta na rubuta kamar wani littafi guda hudu Eh, da duka suna magana akan 'ya'ya mata da kuma ƙananan yara saboda mun san cewa al'umma mafi inganci ita ce al'umman da eh, mata suka ba da tarbiya ko mu ce al'umman da eh, tarbiya ta samu ƙarfi ita ce mata sannan yau in a ce mata sun samu ilimi masu fashar ina magana akan ilimin mata saboda yau in mace ta yi ilimi kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa adam sinu Allah ya ji kanshi idan mace ta yi ilimi kamar duniya da gaba ɗaya ta yi ilimi kuma mun san cewa ilimin mace ya fi kowane ilimi fa'ida saboda ita dama makaranta ce buɗaɗɗiya ita take ba da tarbiya ita take ba da haihuwa ita take ba da komai so idan har wa'ina matan suka yi tarbiya to muna ganin cewa ah, duniya gaba ɗaya za ta sa ko ba ta yi aiki da shi ba za ta tashi 'ya'yanta da shi saboda yau za ki ga tarbiyyar mace da take da ilimi ko na addini ko na bature tarbiyyar 'ya'yanta sun sha bamban da macen da ita ballaga za ce kawai ba ta da ilimin kuɗi. Haka ne a cikin littattafan da kika rubuta akwai rayuwata za zaki ba mu ɗan tsokaci kaɗan. Littafi ne da ya shafi rayuwar wata yarinya da aka ba da ita riko. gidan kawunta mhm. da aka ba da ita riko gidan kawunta sai suka zo suka fara matritin ɗinta yau gobe daɗi ja idan ma a ce kwata-kwata an baka rikon ɗa sai ka ga cewa a'a ka fifinta 'ya'yanka akan 'ya'yan sannan sai kuma ji yarinya na sai ta zo kuma Allah sai ya ba ta ɗaukaka ya ba ta ɗaukaka komai sai ta dawo ɗin wa'yancan da ake ganin cewa su ne 'ya'ya ita ba komai wace sai ta zo sai ta zama ita ce wani abu so kin gane reality din rayuwa ce kamar yadda zaki kalli fim duk abin da ki gani a fim an yi shi a fim to abu ne da ya taɓa rayuwar wani marubuci ya gani ya rubuta so idan marubuci ya rubuta kuma kai mai fim zaka zo ka ɗora kyamara ne domin ku ba da wannan saƙon sai mutane suke gani a ba a nan ganin abubuwan nan wallahi abin da ake rubutu ake rubutawa a littafi kwatan kwatan shi saboda littafi abu ne da in kace za ka yi zai yi faɗi sosai sai ka dan ciccire ka dan sa gishiri da manda domin eh, mai karatu ya yi daɗi sunan da mai karatu ma ya fahimci amma duk abu ne kiga a rubuta bin bokaye ne eh, maltreating ɗin 'ya'yan aiki ne maltreating ɗin yaran riko ne karyar zumunci ne duk abin da ke gama rubuci ya rubuta abin da ya faru da shi ya rubuta ko mu abin da ya gani a cikin society ɗinsa shi ya rubuta haka ne to madalla saudat kafin mu ci gaba da wannan firar tamu za mu bar ki dan shakata mu ma za mu shakata bayan ki da wannan faifan mai suna eh, mamudu take so da mamman barmo yayi <laughs> mijinki ku zabi da kanku ke mace zabi mijinke a'a a wannan saurara wannan saurara da ubanta ba ni ce mai baba na baba ka sai mani titi titin mu na disco ka sai mani takalmi masu tsawon talon in rafka takwalli in zajen baki in shace kaina in yi suna mai kyau in na shiga taro in

wance zaɓi mijinke ku zaɓi da kanku ke wance zaɓi mijinke alhaji ali ya nanan zanne babban ɗan kasuwa mai mota mai kyau to nuhu na nan kushen kuɗi shi ma kurai mai yana nan babban tashiran fati ta yi zaɓe wai mamuru take na fati ta yi zaɓe wai mamuru take kam mijinke ku zaɓi da kanku ke wanda zaɓi mijinke alhaji ali ya nanan zanne babban ɗan kasuwa mai mota mai kyau to nuhu na nan tushen kuɗi shi ma kurai mai yana nan babban tashiram fadi ta yi zaɓe wai mamuru take gamna Cette chanson, Fanta le chanteur l'a enregistrée à Loecten à l'époque. Il était étudiant dans les années 70 et la musique était euh, un passe-temps pour lui. Maman Baumou s'est retrouvé quelques années plus tard dans la communication. Il est présentateur d'émissions télé euh, et anime aussi des débats sur quelques chaînes locales. Dans cette chanson, il parle d'une jeune fille qui voudrait bien envoyer à ses parents l'amour qu'elle ressent pour un jeune homme, une situation qu'il chante tout en humour. Moi, je dirais que c'est plutôt une halte contre le mariage forcé, comme le refrain le dit à Souzaba. voilà de retour dans notre studio après une pause musicale, prêt à poursuivre notre discussion avec notre invité Saoudat Aboubakar Kabir. Je rappelle qu'elle est journaliste et aussi écrivaine à Langhausa. Elle est aussi membre de la Fondation Femmes Solidaires. Saurat kafin mu je wannan dan hutun namu kin fara mana zauta maudu'an da kike tabawa a cikin littattafanki kamar matsalolin da suka shafi mata da kananan yara. Kuma yanzu haka ta hanyar kungiyar ku kuna shirya marayu wani wasa gobe ko? Mhm. Ko za iya gaya mana wani irin taro ne wani irin event ne? To kin ga gobe dai kowa ya sani ko mu ce 'yan Afirka sun san cewa rana ce ta yara eh, na Afirka. To sai muka ga cewa yara Afirka suna nan zaune eh, ko mu ce mutane suna zuwa makaranta amma marayu nan kullum suna cikin orfelina a zaune babu inda suke zuwa tunda babu inda suke zuwa me ya kamata mu musu tunda akwai in kika san cewa gidan da marayu suke ba kowa ne yake samun dama ya je ya gansu ba kuma mun san cewa addini mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ka shafa kan maraya Allah zai yafe maka duk zinabanka koda sun kai uh, kamar gashin tunkiya mm. shafa kan shi kawai ka sa shi dariya to me muke nan muna a matsayin mu na al'umma a matsayin mu na iyaye al'umma da suke zaune sai muka ce to za mu gayyaci mutane sannan kuma a musu tunda orfena ce ta musulunci kuma Nijar ƙasa ce ta musulmai mm. bari mu zo mu culture islamic inda za mu gaya musu uh, like uh, uh, tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabbai da kuma irin tarihin. da annabi da gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya kai matsayin da suke ce dan me yasa muka dauko tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun san babu wanda ya maraici a duniya mafi soyuwa zuwa ga ubangiji kamar annabi sallallahu alaihi wasallam maraya ne ya tashi eh, bai san uba ba uwa a karamin shekaru bai ma santa ba ita ma to kin ga shi ya cika cikakken maraya ba uwa ba uba to dan haka amma kuma yau a duniya babu mutum na farko da za a kira miki wanda ya fi kowa popularity a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam idan har annabi ba uwa ba uba ya kai wannan matsayin da yake ciki to ta yaya kai ba za ka kai matsayin da kake ciki ba so akwai ku ba su kuraji ne ya so akwai mm. uh, marayu da yawa kungiyar nan ta uh, ku ta jima sosai kungiyar nan shekaranta goma sha biyu da kafuwa ƙungiya ce wadda muka fara da grup ɗin mata irin mata haka dai a zo su samu a ɗan yi contribution a yi kaza wasu suna diaspora wasu suna faransa wasu suna america mm-hmm. uh, muna wasu ƙasashe da wasu 'yan nan kama dai kawai dai ƙungiya ce da muka san muka ce to mu idan har za mu zauna ƙungiya mata kusan hamsin ko ishirin a cikin ƙungiyar nan me za mu ma al'ummar mu to in akwai abin da zaki ma al'ummar. mu bai wuce a ce mun ba da support ba a lokacin da muka fara aikin kungiya shine lokacin da um, hospital national take mm-hmm. da uh, hospital national take da bukata, bukata. Mm -hmm. Morgue babu shimfiɗu babu wane sai muka ce to duk wanda suke kasan waje su kawo contribution ɗinsu ni na fi shekara goma a lokacin bana Nijar zan zo mu haɗu da su tunda cikin ƙungiyar ma ina ji mutum biyu na sani kawai a ƙungiya wanda suka sani a cikin ƙungiyar to a haka a haka sai muka ce to ku zo mu fara aikin alkhairi muka zo muka tattara iya abin da za mu muka je muka sai likafani turare da sauransu muka kai hospital so daga nan kuma sai aka ce ai akwai yara su ma marayu ga sunan ga yanda suke marayu sai kiga cewa ana su ana kai su uh, uh, abubuwan krista mhm. musulmai ne amma sai a kai su orfena ɗin kiristoci da sauransu sai muka ce to bari mu je mu ga yanda za mu yi mu dan jayo hankalin su a taimaka musu mun kai mu 25 a cikin kungiyar farm solidar so a haka sai muka ce to yanzu me za mu yi a wannan occasion yara za su tafi hutu me za a yi musu so a gayyato yara su zo cikin orphelina din a yi wasa a yi dare a ci abinci da tare da su so da ina da tambaya ah, ban so ka tsake ba eh, yanzu in kuna son ku yi taimako hakan ga mhm. ku dai ne tsakanin ku matan dai kuke kawo taimako koko kuna samun wasu can baya da ke ba ku wani dan akwai tallafi gaskiya saboda kin ga mayar nyame komin min duk abin da muka ce muna bukata na tallafi zai tallafa mana akwai ministry ministry ministry yanzu kinga wannan eh, taron da muka minister de la culture sosai ta sa hannunta mm. saboda culture islamic suka ce su basu ma san akwai culture islamic ba to bar su dauki forfait din culture islamic su jo su bayar su mata su gudunmuwa ce kenan mm. mutane suna yanzu kamar in muka saka a page cewa ai ga abu kaza da za mu tunda sun san ana yi ramadan haka za a yi taro za a yi abubuwa tunda yan jarida kamar alhamdulillah kalango studio yanzu gashi sun ba ba mu dama domin mu yi magana so a haka duk wanda ya ji zai zo akwai porto overt kawai ka je ka kai marayu na abin da kake so ba sai ka bi turu mu ba mu kanal mm. ne na magana mm. in ka ji je ka taimaka marayu nan ba ma sai mun sani ba mm-hmm. so haka zaki gani cewa mutane suna ba da guduma mai ashirin mai hamsin haka wa muke tara miliyoyin sai a je a kai musu si wani so kuma kowace mace muna son a Nijar kowa ya buɗe kungiya wallahi in duk matan Nijar za su bude kungiya ba za su ishi wa'annan talakawan ba saboda mu da muke da ɗanshi mun fi masu bukata sun fi mu yawa mm-hmm. to kowace yau in ta bude ko da a ce gidanku ne ko sai je ki tattara ko an ba ki salari baki mulfar sai je ki yi marayun nan so kin ga kai ma kanka ta jariya tun a nan duniya mm-hmm. dan haka ya kamata a ce a ja hankalin mata mu ne iyayen nan mu ne ya kamata a ce yau mun tausaya ma yaran Allah ya taimaka amin ya rabe mun gode sosai saudat Samira <laughs> on fait une petite pause et on se retrouve juste après exactement Fanta je te propose cela voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, à présent, il est temps de plonger dans le monde inspirant de l'entrepreneuriat avec notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une figure exemplaire, Madame Mobutu Aichetou, également connue sous le nom de Monique, qui a trouvé dans la commercialisation du poisson à la clé pour subvenir aux besoins quotidiens de sa famille et faire face aux difficultés de la vie. Exactement, tu l'as bien résumé. Notre reporter Hawa Ousmana s'est entretenu avec elle pour découvrir les raisons derrière son choix de se lancer dans cette activité ainsi que les avantages qu'elle en a tirés, suivant plutôt cet entretien. shin ko za ki iya gaya muna da milimini ne hajar kike kawowa kuma kina saidawa lalle ni da ki nake saida ki nake ji yanzu ko in zo in saida kuma alhamdulillah rabbil alamin eh. Kaman daga ina ke dauko na kihin ki daga gumba da una muke daukowa kuma na kawo muna saida ne kamar kihin kina dauko kamar na nawa haka to kihi babu yadda ba mu daukowa muna ka manyan turmusu biyu biyu da uku kuma wani kwantonar manyan nan muna ka biyu muna ka uku wata rana mun samu mai biyu ya yawa eh. yanzu kina iya gaya muna kamar tun yaushe ne kika fara ita wannan sana'ar wallahi na kai shekara talatin ina sai da ke na kai shekara talatin ina sai da kuma alhamdulillah rabbil alamin an gode Allah mm. kamar a cikin sati ne kike zuwa ki dauko cikin wata ne ko kuma kullum ne kike zuwa kina daukowa cikin wata so hudu muke zuwa kamar shak lendi mu muka je lendi mu zo mu dawo mardi kamar cikin cikin wata dai so hudu muke zuwa eh to kika dauko wannan kifi da dama da kike daukowa kina da wurin da kike ajiye shi ko kuma da kin kawo shi kawai taken ki ake sai shi kin lalle ina da gidana ana zawa ana skin ana sai ko akwai inda nake ina ajiya ina sai da akwai inda nake sai da ina sai da gidana ina sai da can wurin da nake sai da kiwi tunda akwai inda zan kai ajiye sai da Eh. to aishatu shi wannan kiwon suwa kake sai da ma shi ma'aikata ne abokan cinikinki ko yan gari ko kuma masu otaloli da suwar suwa ke sai da wallahi madan babu wanda ba su da ina sai da ma akwai masu zuwa suna sari suna ta suya sai da akwai masu ci suna zuwa sai masu otal suna zuwa suna sai ba wanda ban sai da ma duk wanda ya zo yana sai gurgurdan kudin kai na sai da ma eh. to yanzu wannan ki da ki kwashe misali shekara 30 kina sai da shi barkala in dai suna ne an ce an yi suna yanzu kin kawo kamfani ko ko kawai dai haka dai kike zuwa ki siyo dai ki saida ba tare da kin yi wani kamfani ba ba mu da kamfani isbillahi kuma muna so a taimaka mu ba mu da kamfani na taiwa dai yanzu in sai da hani to yanzu a cikin wannan sana'a masha Allah Aisha to ana iya kwatanta mana kamar umman da aka samu cikin abubuwan da aka yi ta hanyar wannan sana'a masha Allah la quwwata illa billah an wani an samu dan an wani an samu tabarakallah bismillah tunda mutum cikin sana'a na kai uwa ta haji na yi ma na armi to alhamdulillah da ba a hudu ba duka mun ake hudu alhamdulillah rabbil na fara sarki ga matabcin ni kai ba duniya amma ina son don Allah dan annabi mata masu zama zama kashe wando babu yayin shi yanzu kowa tashi ya bi dakan shi ka ce komai sai namiji yayi ba gaskiya bane namiji bai dauka lalurar mu duka hisbillahi alhamdulillah na gode Allah wallahi tukin ci alhamdulillah inda kice mu ni kamar kihi inda su ci babu wanda bai sani ba insha Allah Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin. C'était Madame Mobutu Aïchatou, dite Monique, au micro de Hawa Ousmane. Mira, il est temps d'explorer à nouveau notre playlist du jour, n'est-ce pas Exactement, Fanta. Chers auditeurs, je vous propose Idunongu de l'artiste Abdomati. goût de feu Madé qui signifie dépravation des mœurs, notamment dans la nouvelle élite de la société qui ne respecte pas les valeurs anciennes plutôt. Abdomadé est un artiste nigérien, il est auteur et compositeur. Il était auteur et compositeur. Il était aussi passionné de musique et il s'est initié très tôt au rythme traditionnel. En 2008, Abdou sort son premier et aussi son dernier album. On dit Paix à son âme. Paix son âme. Voilà, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, dans notre rubrique Écho des régions, aujourd'hui nous allons découvrir l'abattoir frigorifique de Zender dont les portes ont été ouvertes en avril 1989 grâce à la coopération nigéro-algérienne. Exactement, ça fait longtemps. Hein. À l'époque, il avait une capacité de production de 15 tonnes de viande par jour. Mais quelles étaient les motivations derrière sa création Quel objectif ambitieux a été assigné à cette entreprise. Élément de reportage, élément de réponse plutôt dans cet entretien avec Alaj Madougou Maidoka, directeur de l'abattoir frigorifique de Zander, a accordé euh, une interview qu'il a accordée à notre correspondante Maria Manouhou. Depuis la création de l'abattoir, nous n'avons jamais reçu une plainte qui dit qu'il y a une viande qui sortie de l'abattoir et qui a causé tant de malaise aux consommateurs. Ça, c'est le premier objectif et je pense qu'il est largement atteint. Le deuxième objectif est la création d'emplois. À la création des années 89, l'abattoir frigorifique de Zender a commencé avec une soixantaine d'acteurs, c'est-à-dire apprentis et bouchers, tout confondu. Aujourd'hui, 2023, l'abattoir, a titre d'emploi direct, travaillent avec plus de 300 apprentis bouchers et bouchers. Tous font des petits métiers et qui trouvent leur compte. En ce sens, on peut dire que ce deuxième objectif est atteint. Ça, c'est des emplois directs, sans compter les emplois indirects. Parce que dans ce cadre, et pour le ravitaillement des laboratoires en animaux, on est obligé de faire les marchés. Et pour les marchés, il y a bien des intermédiaires et des convoyeurs. C'est pour dire que aussi, le deuxième objectif est largement atteint. Pour ce qui est du troisième objectif, on ne peut pas dire qu'il n'est pas atteint parce qu'il y a eu des démarches avec les pays voisins pour l'exportation des viennes et qui n'ont pas manqué d'apprécier notre viande. Mais compte tenu du contexte national et international, jusqu'à présent, l'abattoir n'a pas pu exporter de la viande vers euh, les pays voisins ou ailleurs. Selon vous, pourquoi le troisième objectif n'est pas atteint Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, la viande n'a pas pu être exportée dans les autres pays. Il s'agit du contexte, du contexte national et international. Le premier contexte national est que D'abord, il faut des fournisseurs par rapport à la qualité de viande souhaitée, la catégorie des animaux demandés. Parfois, donc, on vient demander euh, une catégorie d'animaux que les gens ne peuvent pas fournir. Par exemple, il faut un moment où il y a des gens qui sont venus demander, par exemple, si on peut fournir chaque semaine 2000 agneaux âgés de 6 mois, ce qui est pratiquement difficile pour que cela soit ainsi. Pour le contexte international et le grand sanitaire, pour exporter une viande, il faut remplir un certain nombre de conditions. Par exemple, l'abattoir des Indiens est créé en tant qu'abattoir moderne, mais avec l'évolution de le temps, il devient de plus en plus non conforme aux exigences internationales. Afin que, par exemple, si on prépare une viande, quand on vous dit que depuis l'abattage jusqu'à la sortie de la viande, aucune mouche ne doit toucher cette viande-là, à l'heure actuelle, il est un peu difficile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cet abattoir Il y a bien sûr des difficultés quand on dit que c'est où on doit préparer des denrées qui sont destinées à une population donnée. Il faut être très prudent par rapport à ce qu'on doit conduire pour éviter au maximum ce dont l'État a, bien voulu, c'est-à-dire c'est d'assurer la santé publique de la population. Alors pour ça, il faut être tatillon sur toutes les conditions pour éviter tout danger pour le consommateur. Il faut un certain nombre de dispositions. Ces dispositions sont le ravitaillement de l'abattoir en eau, le ravitaillement de l'abattoir d'électricité et bien d'autres matériels pour la manutention des viandes. Donc la première difficultés pour l'abattoir frigorifique des Indiens, c'est bien le ravitaillement en eau. Et qui dit conditions d'hygiène et d'assainissement au niveau de l'abattoir, il nous faut de l'eau. Alors il y a des périodes vraiment où on rencontre beaucoup de difficultés pour le ravitaillement en eau. Tu avais vu bien les dispositions qu'on a prises pour assurer, même en cas de coupure d'eau, le ravitaillement. C'est en ce sens qu'il y a eu la création de deux forages, ça c'est le financement de l'État, pour euh, avoir l'eau en permanence, mais malheureusement, les forages n'ont pas un bon débit compte tenu du socle. Le deuxième aspect nous avons aussi un château qui nous a été fait par le PRAC. L'abattoir a aussi installé des tanks, tout ça là pour assurer la réserve à nous. Ça, c'est du point de vue l'eau. Et maintenant, d'autres difficultés à l'heure actuelle, c'est le vieillissement de l'abattoir. Aujourd'hui, l'abattoir a presque 35 ans. Donc, ce qui veut dire euh, le matériel est plus ou moins vétiste. ce qui revient un peu difficile en termes d'entretien certains matériels ne sont plus disponibles sur le marché. Comme vous l'avez constaté, il y a une station d'épuration des eaux, c'est-à-dire là où on recueille l'eau usée dans un grand réservoir d'une contenance de 613 mètres cubes et avec des dispositions de traitement anaérobie, c'est-à-dire il y a un appareil, un robot, plus euh, un ordinateur qui sont là, qui font ce travail-là, qui souffle et qui mettent un temps aussi d'arrêt, tout simplement assurer les conditions de traitement de ces eaux. Mais depuis 2002, cet appareil est tombé en panne. On a fait presque tous les marchés pour le remettre en marche, on n'a pas pu. Euh, on n'a pas trouvé le matériel qui peut le remplacer. C'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la salle de traitement des eaux ne marche plus. Le véhicule frigorifique que nous disposons, c'est un véhicule aussi qui a été mis à la disposition de l'abattoir dans les années 89 pour assurer le transport de viande à la création, la ville des Indes n'était pas si vaste. Aujourd'hui, la ville des Indes est devenue tellement vaste, il nous faut encore un peu plus, non seulement le renouvellement des véhicules, mais un peu plus de véhicules pour qu'on assure le transport des viandes. C'était, euh, chers auditeurs, euh, Al-Hajj Madougou Maïdouka, directeur de l'abattoir frigorifique de Zender, au micro de notre correspondante Mariam Onuhu, qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis Zender. Salam alaikum Mariam Monalaya. Assalamu alaikum Mariam. An tashi laya. Lahiya alo alhamdulillah ya damagaram. Alhamdulillah ya aiki. Aiki da godiya. yanzu muka da sauraron a akan matsalolin da abatuwar kin zandar ko mayanka ke fuskanta mhm. ko za ki iya sake jaddada ma waɗanda ke sauraron da harshen hausa irin matsalolin da wannan wajen yake fuskanta eh, eh, kamar yadda kuka yi shi da harshen turanci musamman ma abin da ya shahi mayankar da magaram wadda aka gina ta tun alif tara takwas wadda kuma kawo yanzu take gudanar da nata aiki dai cilo dai birnin da maza ke da ita wuri ne wanda ake yanka dabbobi manya da ƙanana kahin a kai su inda jama'a za su amfana da su cikin kasuwanni mhm. da ma masu fira su a wurare daban-daban kun dai a cewa daraktan wannan ma'aikata na cewa da abatuwar kimanin ton goma sha biyar a kullum ake aiki da shi na nama mhm. da wadata al'umma da isasshen nama to sai dai wannan wuri yana ci gaba da samun matsaloli iri daban-daban kama abin da ya shahi bangaren ma'aikata da kayan aiki wanda ya kamata a ce an samu ma'aikata ƙwararru da suka ƙware akan wannan aiki da kuma kayan aiki wanda nama ko da zai ɗau wani lokaci mhm. ba zai samu wata matsala ba wanda shi dai ne yake cimma wannan ma'aikata ta abatuwar tuwo a ƙwarya mhm. musamman ma yanzu a ce nama in an kawo shi kasuwa in bai sai ba ana iya maida shi ya ɗauki wani lokaci a'a sai dai cikin gari masu sana'ar nama idan ba su sida ba su kai shi wajen masu ba da haya a sa shi a cikin firigo da an hwanar da shi zuwa gobe a hudo shi a saida shi. Haka zalika ya kawo zancen kamar tsufar kayayyaki da sauransu. Eh magana kenan ai Mun gode sosai Maryama lokaci na <laughs> hararen mu. Eh, da fatan za samu a magance waɗannan matsalolin. Amin, <laughs> Samira, avant de continuer, on fait aussi une petite pause, n'est-ce pas? Exact. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hasumi Gourouza Karimou. Bonjour Gourouz. Bonjour Fanta, bonjour Sami. Bonjour. Très bien. Alors Gourouza, l'équipe MENA A se prépare activement euh, pour son match face à la Tanzanie. Oui, Fantas, c'est dans le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'équipe de Jean-Michel Cavalli se prépare bien, il se prépare car les joueurs nigériens étaient en regroupement depuis quelques jours. Les rencontres la rencontre va opposer le MENA du Niger à la Tanzanie et vous le savez très bien, l'entraîneur Cavalli a dévoilé sa troupe le mardi 6 juin dernier au cours d'une conférence de presse. Il a expliqué également le choix de ses joueurs pour affronter la Tanzanie, qui n'est pas également une petite équipe. Mais les Nigériens vont affronter cette partie avec détermination. Le Niger a fait un bon parcours. Il faut garder cette cape et pouvoir rester dans la compétition, a précisé le coach nigérien Jean-Michel Cavalli. L'équipe U23 est au Maroc Gourouza pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans cette catégorie, n'est-ce pas Oui, les poulains de Zakariaou Ibrahim ont quitté Niamey en fin de semaine pour Rabat, la capitale marocaine où l'équipe va s'acclimater d'abord avant de regagner Tanger, le second site prévu pour les matchs du groupe B où le Niger croisera le fer avec le Gabon, le Mali et l'Égypte. En attendant le 24 juin prochain, pour l'ouverture de la compétition, le Niger jouera en principe quelques matchs de préparation. Notons que cette canne est qualitative, qualificative pardon, pour les Jeux olympiques Paris 2023. Et aussi, Gourouza, la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe des Nations 2023 démarre ce jour sur le continent. Oui, au total, 22 matchs vont se disputer euh, dans l'intervalle d'une semaine. Et pendant cette semaine, il est possible que le nombre des équipes nationales qualifiées pour ce rendez-vous de la Côte d'Ivoire augmente. Parmi les rencontres programmées, il y aura des rencontres choc et de suspense. Car dans le groupe D, le Maroc affrontera la Guinée en Égypte. Les deux équipes sont à égalité de points, 9 chacun. Donc, un match nul qualifiera les deux, deux sélections. Groupe A à Bissau, la Guinée-Bissau, deuxième avec sept points, a la possibilité de prendre également la première place en cas de victoire. Le Soudan du Sud accueille euh, la Gambie pour le compte du groupe G. Et sept matchs suivront samedi prochain, Inch'Allah, à Malabo, la Guinée équatoriale, deuxième face à la Tunisie, leader du groupe J. La cinquième journée de cette éliminatoire finira le 20 juin 2023. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Voilà, Mira, à présent, place au portrait du jour. Tu nous présentes qui ce matin il est âgé euh, d'abord de 28 ans. Il s'appelle Suleiman Sadou, né dans le village de Tombokwari, euh, région de Dosso. Son métier, euh, c'est la menuiserie. Il s'appelle Suleiman comme je l'ai dit tout à l'heure, il possède son propre atelier avec deux apprentis. Et grâce à son savoir-faire et sa maîtrise du travail, Suleiman est sollicité partout dans son village, mais aussi dans les villages voisins. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. On écoute. wallahi goyo ay mana sintin kala 2007 na ini sintin abinde mo ala kaso ara dai na gogo wa zama ai babu bumbo me ni zeno ai mo kala ai mo ka ko fura a goyo raso so to suleiman gomni fono ne du meni seri goyo wora wallahi to ai do a gomni zama bo sine ni goyo kara ni goya ni sigu ngwara ya zama arai man bai ko ku bor fo ngwarai waatu kulmo iman bay kay ayman bay kine matana yigti ay murade go giti haram eh, ni gonda bor yon kango ga dondo ni banda wallahi gonda bor yon kango dondo wallahi son talma ay gonda day hin ka day son son to goy kul kan bor te bor sijan sandai ara sandai fono ni go ga diwal ni bay ga duni go yowara wallahi sandai wo kay asijambo amma masal masal an sijam me ayman ɗi wo kanndayi hom ɓurandi wo kacce fojina to ceyon fo noni te furta jeyi se ngande jine fune alay to ayo kay wo kangege ba furta jeygade kici im kay kengey cawyon o te de cawyon o si te din fatta min kam go don don ag boori hino mom boore oh, ga aksine o wo kangege ayo gum waara hino ga ngadayno C'était là le portrait euh, du jeune Suleiman du village de Tombokwari, région 2 d'Osso. J'espère que vous avez kiffé un portrait proposé par Omar Cette fois-ci, euh, dernière tournée musicale avec le titre Bizarro, une collaboration de Natural Black et Ram Flow. Révélation. la musique Bizarro, euh, une collaboration de Natural Black et Ram Flow. Voici, euh, nous voici de retour plutôt au studio et nous allons euh, attaquer quelle page déjà ça sera le loti Mira aujourd'hui avec les femmes du studio Kalangu qui soulèvent le sujet des parents ou des tuteurs qui font travailler leurs enfants en négligeant leurs études. Nous t'écoutons en compagnie de Rakia Arimi. On y va affairage, affairage, affairage, affairage. Mariama Mariama Hé, eh, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule. Hmm. si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Et gare à elle si elle ose retourner sans rien. Une élève qui fait la corvée des bois à l'heure des cours mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école Eh pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme dal Hajj Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège. À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, qu'est dit Al-Hajj dans tout ça Il ne peut pas réagir Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout. Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Haja Memouna. Tu es patente Et comment Allons-y. Hum. Hé, Allah. C'est pas bon. Bonjour Hajia. Comment vont les enfants? Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous? Eh, pourquoi vous vous n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse? ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal Hé, madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité. Ah, jamais, Mouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits, surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que vous avez la craie à main, vous pensez être supérieur à moi Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leurs parole leur dictent. Point barre. Hajia, il t'incombe de protéger Nadia comme ta propre enfant. C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à figuer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvement et quoi sais-je encore Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout. C'est pas fini le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil. C'est bon j'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille, je t'accompagne au collège. Hajia, tu es sûre d'avoir tout compris Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Alhaj Mekoudi, hein N'est-ce pas, Binta Ah, on va aller quand même. Non, non, non, non, non, ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements. Je t'en prie, Hajia Maimouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque. Hé, hé, hé, Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment. Amen, amen, amen, Hajia. Merci vraiment. Alors, euh, c'était là justement euh, le loti que nous a proposé le Dex-Femme du studio Kalangu. Euh, et c'était tout un humour comme d'habitude. Chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique. Justement, Mira, nous sommes avec Soumana Amadou qui va nous édifier aujourd'hui sur le mot inondation en français et en fulfulde. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Donc, une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace par de l'eau liquide donc ce terme est fréquemment utilisé pour décrire le débordement d'un cours d'eau en cri puis en décrit sur le terrain voisin. Donc les inondations ont des impacts, des lourds impacts sur les activités humaines dans les zones touchées, mais aussi sur le milieu lui-même. La plupart des inondations sont causées par le débordement des cours d'eau, mais elles peuvent aussi se produire au bord d'un lac ou d'une mer. Selon le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger, au 31 décembre 2022, les inondations ont affecté 365 438 personnes issues de 46 611 ménages. Sur euh, l'ensemble du territoire, on dénombre aussi 195 personnes tuées, 221 autres personnes blessées 41 820 maisons et 126 classes effondrées. Soumana, vous avez aussi prévu de donner l'explication de ce mot à langue fulfulde. Effectivement, donc euh, en kali hala hono ma ogol diam ko dum wonani kan woni hono to ndiya naati nokkuje to hana natude waɗa bonanda ɗum haala nous haala hunnon ko lati du wau fu kañƴum won ko indete seta tawama ndiyan ɗan e ƴaɓɓeke to ha dara ɗon endam ɗum ɗum konɗan ni ƴeewama eɗum woodi bonan ko waddoto yaade e golleji himɓe no woodi bonan ko waddoto e laddeji e jaaye e hoore muɗum ko ɗuuɗi e ley mawgol ndiyan ɗam fuu ko waddoto ɗum ni woni ɓittowaade hono fawar joni konɗan ni nokkuji ndiyan ɗe endan no laato du dow weendu naadu kondam maayo mango no waɗa honno endan ndiyam ɗan ƴaɓɓoto han daraɗo ɗon endam yerno ministére hawjinde filla ko darta hono wallugol himɓe kañum e yurmede e ley leydi niger ɗo endan yettade capanɗe tati e goho lewru décembre duminaɗi e nogaye ɗiɗi hisama ko watto himɓe ujunaji fawara jondu konda ni keme tato e capanɗe jeego e joyi e yimɓe keme e capanɗe tato e jeerto ko laati ndiyam maaweke e boni nani ɗum ɗum ndu kondande hisam ele kewru leydi niger fou ko watta yimɓe hemre capanɗe jeenayi e joyi kayen won ko maayi ley bonandaji ndiyan ɗi kemɗiɗe sappo e goho du koddam barmi e majjum ko watta cuuɗi ujunaji capanɗe e goho e keme jeerti e nogayi kañum woni ko saami kalasiji l' école du hemre e nogayi e jeegom kam woni ko ndiyan ɗan ñaami e ley hitande wittinde Mietis, j'espère que j'ai bien prononcé. <laughs> voilà, chers auditeurs, si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message tout simplement au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Eh sunana Baba Lefe kuma yana goyi, Jagindi kasuwar dare. Ina sauraron eh, Studio Kalangu kuma suna shirye-shirye da dama ko masu kayatarwa, Musamman ma suna wayar da kawuna kamar fanni-fanni. kagan in suna wayar da kawuna bisa kan eh, rayuwar 'yan mata kamar da suke tafiya kara zube. Wasu uwayen ka gani suna ɗaukan yara kamar su ba su talla, ba sa su makarantu. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Samira Roifi. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. Bye bye!